les avant ça ça Bonjour, bye by CFAO. Jabba, Sivoderm, Nova, Sivop, SunoShopping.com. Radisson Blue, Aroma Gelato, Mangalis Management Group avec les hôtels Noum, Sim Yas. Awalibiz. Retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibiz.com. Achetez en ligne, nous livrons partout dans le monde. Fondi, Madomark, Karidja et Khadija, Nineyaya, Ali Influence, Afflux, Jalab Couture. contre nous, nous. Blessé, blessé par vos paroles amères, j'ai les larmes aux yeux, les mains levées aux cieux. Brisons, brisons le mal qu'ils ont mais à peine nourrit ma haine, amère l'amertume. Sacrifiez notre amour au nom de votre guerre. Notre bonheur, il vous importe peu, vous subir tous les jours vos manigances. Notre amour est plus fort que choix de vie, un parc def nañu ko booy. dafa leer. <laughs> non mais tu tey ay policier lañu ñu <laughs> xam nga la mooy coow li si man taximan bi moo njëkk a képp si tali bi yoroo papier di ma jéem a ger la takkale la mi nga xam ne lépp dëgg la. Bamba yow da nga may jaaxal chaque jour. Ah. yow nekk policier bi yaa xam te lu takkalaate lam non booy négatif négatif bi noonu da loolu kase écoute yoo xam nga bu baax ni teru policier yi jaratul tara si laminu sénégalais

<laughs> Allô On a réussi, bébé. C'est clair, on a réussi. Comment sax ni ma man Je suis venu. ne seen réussir. sax ni ma suis instant Je suis venu. ko xam tey su ma ñibbisee. Je hmm. ma looy je suis venu. fan la. waaye tu ma la Je nëbbu gis nga bàyyi li ma nekk Je marché. Bébé, sonn nga de. mais ça tombe bien on peut aller à l'appart. je peux commander indou de am ben na restaurant pour me découvrir tant il est. indou. <laughs> Chez Aminata Mais nous on ku sobee que yow. tey daal sa rab yi ci indou la la mais bon léegi am problème ok pour ma marche. <laughs> Je ne Je savais pas. Oui, ça fait trois ans que je suis là maintenant. Ah, d'accord. Bah, félicitations. Merci. Donc, tu un Non, mais... Je m'a invité. Mais, au moment où on est Ça Ça fait. Mais quand même, euh, je suis agréablement surpris. Nafi, de es compte. Mais qu'est-ce que tu deviens Marié. Et j'ai une fille maintenant. Waouh Félicitations. C'est vrai que depuis Souniou, enfin, Il a les mais félicitations à toi et à ton père aussi. Ça doit être bizarre d'être le fils du président. Bof, tu sais, mon père et ma mère ne sont plus ensemble, ça fait bien longtemps maintenant. Ah, désolée mais bon le grave, tu sais mère bi elle a préféré partir puis pas bi ta takk donc elle supportait pas. Hein. j'imagine mais je Khalil instant bi moo ngi <laughs> tu connais mon demi-frère. Bon, je vais partir. Je dois retourner au bureau. Félicitations encore euh, à toi et tu me t'entends tonton. Bon, euh, je gère un business hôtel actuellement aux Almadies. D'accord Donc là, je vais te laisser ma carte. Si éventuellement, toi ou tonton, vous avez besoin d'espace pro pour loger vos partenaires éventuellement, tu peux me faire ci. PDG de Yas Hôtel, félicitations. Merci. J'en ai vu des promotions défiler sous mes yeux. Entraîner Nafi fille et tu une façon mais je n'ai jamais vu un agent avoir de tels résultats aux examens. Tu dépasses de loin tes camarades. Merci mon commandant. Avec notre nier, que dans ses plus hautes sphères. Intégrer le corps boo mérité loo les services de renseignement. mais bon de pour léegi pour le moment di ngeen une affectation tu vas rejoindre une police quelque temps histoire de te faire une expérience terrain introduis ce dossier auprès des services de renseignement déjà. Et sois sûr d'une chose. Ils vont suivre tes mouvements pour voir nous mouiller. Ngabal, mon commandant, Vous trouvez pas que je suis trop jeune pour les services de renseignement C'est pas une affaire de jeunesse. Ça a une note. Lycides travaille terrain avec eux. Et c'est sur ça que tu dois rester concentré. Bien, mon commandant. Je le ferai. Allez, va rejoindre ta famille, fiston. Merci, mon commandant. Merci, mon commandant. Salam alaikum.

sen papa su doon dund tay vraiment dana contane ci yéen ñëpp ci hmm, yeen ñaar ñep lay wax ah yow ya, sama gaan gi dama lay sandi xeer rek mais ah mais nak rawatina nak isa isa tay mom ya, bu ma la gisee vraiment sama xol dafa sedd parce que fi nga yobu sama xel mo sori sama rappel su ma mosaan dem camp fekk fa sa papa wala mu ñew ci kër gi ak tenue li motax wolof naan ku jur dom dewo c'est vrai tey moom sama xol euh, sori na trop trop trop trop trop vraiment. Wa Père Père yaa ngi jooy di. Père yaa ngi jooy nangul rek yow yaa ngi yow xam nga sérieux ak ku jooy yow xam nga ku sérieux ak. Il Je suis sama xamul mais wuy ma su ñëwee rek hmm? gère ah ok amul problème d'accord problème nice. ok jaajëf. waaw yegg demal armée moo noté demain. non ce soir. madame Gradel, je me suis dit que peut-être Bungoko nga ko projet agrandissement hôtel en Afrique du Sud et au Nigeria. pas encore j'ai encore certains détails à régler avec les différents directeurs que personne ne dérange madame Gradel sous aucun prétexte. d'accord euh, directeur Gabon aussi personne je dis bien personne ne parle à madame Gradel sans passer par moi votre boulot c'est d'alléger le mien je fais pareil pour la femme la plus influente d'Afrique donc à moins que ça soit le président d'une firme ou d'un pays, vous notez la requête et vous me la présentez. Euh, pour le Gabon, dites-lui que je le rencontre demain soir et organisez un éventuel voyage pour la semaine prochaine. D'accord, mais elle compte toujours déjeuner avec sa famille Oui. Et pour son voyage en Côte d'Ivoire, elle y va tout ce soir Avec ce que je vais lui annoncer, on va devoir décaler. D'accord, merci.

ñu desee jënd loolu moo gën a tax sax ñu signé Il y a un problème Tierno euh, oui effectivement projet terrain bi laa ñu waxtaan ci tuuti j'imagine la tête de Mélanie bu yégué ni ñooy jënd terrain bi ñëpp signé ba mu des banque turque bi d'ailleurs bëgg na nga dem fa pour superviser procédure procédé. Nous n'est ce pas en plus presque, bi bàyyiwul de affaire de thérapie. wax nga mais d'ailleurs lolo tax ñu accéléré, accélérer journaux surtout ce fameux Moussa Diouf la J'espère que Maître Meng dit de saigner procédure judiciaire. Maître Dabo. waaw. xam naa affaire bi toll. xam ni Maître Meng dong moo la mës a daan ci géewu tribunal bi mais bul fàtte lii business la. Mbaye yaa ngi mel ni xamul loo

te man instant yi waxtaan naa ba pare ak président Sénégal ak Dubaï. comprendre naa sa mère. comme j'ai dit mais may ma ba suba dina gën a leer sama bopp. on se voit tout à l'heure. ok à ce soir. ok. qu'est-ce qu'elle dit. je ne sais pas moi je dis que c'est la guerre. guerre day sax mondial de sa guerre sama guerre la ku la tooñ wax ma ko ma lijjanti ko yow sa guerre mooy sama guerre. sale bi tam. dara dama lay wax leen kii geeram sama geer la bu jalee joxe bakkan sax damay joxe sama bos. mooy sama karawu bakkan ku ko xëcc sama rankoñ génn. ah na nga xam loolu de <laughs> nay leer de waaw waaw nay xam nga damaa gaaw a tànk sama géer sama xarit. mën naa dugg. yegg sil damay waaj a génn de. Euh, dama suis rek juste pour féliciter la encore une fois. merci mais jaru ko woon. Euh, sa papa sax nee ma daf la bëgg jël ci cabinet comme ça nga dugg ci ordre national des avocats. moo la wax loolu. waaw je ma ko wax et j'espère que tu vas accepter. parce que Je ne accepter. mais Aminata c'est une opportunité. écoute Tata nga baal ma demee sama vie Là. man ma cheminé ba egsi Et même si ma ko doon accepter dois ak yow laa koy waxtaanal mais ak sama yaay. Euh, je vois que tu digéré déjà. papa ma ma tu n'as rien compris Mon problème ak yow problème bi am le fait que nga bëgg dugg sama vie mel sama yaay alors que tu mais am Je man dama bëgg rek relation normale man ak yow. respecté la la ak yow je pense que tu rek là.

Not on meyhanesine yeri. jàmbaar dafa jékki-jékki rek daw ñu ne ko jàmbaar looy daw mu ne damaa gis ku ma gën doon jàmbaar ñu ko kooku kana moo ne soriwul de c'est la dame qui est devant moi très gentille généreuse intelligente remarquablement remarquable très remarquée tax nga tey jox jigen kedem, jigen jur Mujur jur walni mo jur président de la république ku fi bax jigéen la jur moo tax nga liggéey bi egsi nga ah Sala Bigué su nuyo bi neexna na gëm na né suma nékkon ci naxar sax suma la gissé <laughs> duma ko mëna a muñ <laughs> waaw boo ma def yépp né dama dégg ni ñëw nga rek mané na ñëw sétsi la jox la sa way ndax sa bay ak sama bay la won demb tay soogu ñëw moo tax ñun ñaar la yow nak sa wàccuwaay a ngi ni ah set nga ma jox de sa sekk bi dafa saf sap ak sukur waye xam nga li lepp nak dafa am lu ko melanin Mélanine li nga ma jox ni su koy jël damay fier parce que dama fekk dimb ni nga musa mel bi ngay xalé nga xamni amoku lo dara tollooguloo sa fay amé ak bay ñak musa di lek sombi sax doo ko yow rek dang koy bokk nit ñi leg leg sax mu metti lool nga naan sa ndox teud dess ak sa ngor ak sa jom. yàlla bégee li ngay wax ni yag na lool waaw yag na waye am na lo xamni ne kenn du ko ñun gëwel duñu fatte demb ndax demb tax ñu naan tay te tay bo dee xol liggéey bi nga liggéey ci aduna bi hôtel yi nekk ci aduna bi bari na waaye doo ci gis hôtel bi ma ne Radisson nag itali ñaari xam nga du benn. waaye hôtel ak motel tamit du benn. oui Sali Bigué doy na nag. Votre série revient après la pub. Jadida. Un problème avec un client Mélanie Gradel. Ah, le littoral. xam naa war na mer xam nga ko. de toute manière man je n'ai jamais été d'accord pour que ñu jël suñuy suufu géej di ko jox waa tourisme. xam nga tey ma mu kontaan te bëgguma kenn yàqal ma suma bésu tey bi sincèrement quoi. doomu maître Mbengue laa tamit du yekini des avocats. oh oh oh yekini dafa commencé màggat <laughs> xam nga ñëw suma cabinet nga woné sa bop man suma jaan wacc chi papa xam nga ne ma si xalaat ba pare.

Papa, tu sais très bien qu'entre Oulimata et moi, ça ne passe pas. Tata, Oulimata, je t'en prie, fais un effort. Ok, excuse-moi. Bah, tu vois, concentration pour moi à pour réussir mon examen. Même au moins, je suis avec ma charité. Je suis c'est tout de suite. Sa charité Voilà, je suis un Ah, je suis un avocat. Donc, comme ça faire cabinet. Maître Mbengue êtes-vous en train d'essayer de corrompre une honnête citoyenne? Que ça veut dire? La corruption est l'une des plus graves entraves au développement économique et social. Vous voulez que je continue? L'exposé des motifs de la loi portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption

yow wutil gel moo gën li may wax ni ay aminata moom la la yow wuti gel ni nga def ma njëkk la fi takk jabar après paa bi yow xam nga paa bi oh. sonal la fi ak wax fi mu ne nii li ngay wax nii bu ko déggee mën na ci am lu mu wax boy man je me prends pas trop la tête boy aminata bu mel ni sa aminata lay wër amaguma ko bàyyi jël sama temps lu tax may yaakamti man musuma woon xam ne nii nga ma tegee bët mais boo ndégee teg nga ma bët de <laughs> mais loolu noo koy amee topp article yi suba ak ngoon matin midi soir en parlant d' article

ta jox mo ben cieur man lu ne mang koy def pour essayer de me rapprocher d'elle di wacce sama bop di ko fekk ci wante amita deful lo respecté wuma suma nuyo ci lay yem il est temps nak nga waxtan ak sa dom oui xam nga Aminata son ka moy euh, suma divorce ak yaayam la mënu supporter ba légui na ko digérer nak ndax kër gi man ma fi nek na nga waxtan ak mom yow yaay kilifa kër gi te dina la xamal leen li di ram, ci ñak bi la jëm.

Je ne rencontrais pas accident, mais moi, demain, en Radisson. Après, je l'ai invité. Comment ça te fait plaisir Pas du tout. Pas au hein. Ouais. Je suis maintenant le PDG de Yasote. Il est très ami avec Mike Graden. Bon, Radisson. une fois. Je suis contente pour lui. Tu es sérieuse C'est tout ce que tu as à me dire. Et Abel, Thomas, c'est Moi, hein. je te parle du fils de l'actuel président. après stress mi yow ngay gën a gis nga affaire président yooyu yow mii rek la yëngal même sax yëgulu ko yaram borom jabar la nag je te signale tàmm nga lu ko. ah oui c'est vrai. bi laa yow ni nga ko dama benn góor bu la yaram. Ah. doy na sa kër moom baax na merci bien mais nag eh très sérieusement di nga nangu Issa si nekk pourquoi pas su la neexee sa bay daa yow bi

yaay booy yaa ngi toog. waaw Issa maa ngi toog. di la laajte sax ñu ne ma da nga génn. dama génnoon dëgg la. sa bàyyi rek nga may jox. waaye nag sant yàlla ndax jamono ji ñu toll soo amee njaboot goo xam ne gii sàccuñu fenuñu luubatuñu da ngay sant yàlla bu bare du ngóora de mbiru yalla la waye nak dafa metti trop ci njabot gu melno man gis sa dom top tank yi nga xamne mo la xagn sa genn wàll muy sa bay li moko yobbu en plein service waye déet rek nga ne mom ngay def yaay nga bal ma akhde yoon bi ma jël andulo ci won certes mais mën na la watal nek do mësa am gatch ci li ni ma nek di def du ma mës a nangu. Eh, doy na yow boo doon seet wala ngay wut sama bànneex di nga def li nga def mais Issa lan la soo bëggoon lu ma neex dangay def la ma bëggoon doo dugg ci lii daw naa guddi daw naa bëccëg lépp rekk pour dundal leen doo leen xiif doo leen mar ma inculquer leen nag valeurs yi nga xam ne moo tax ngeen nekk li ngeen nekk tey. bañuma métier bi waye nak ku ndóobin ray sa mam bo gisé lu ñun da ngay daw isa yaangi ni def nga lu la neex bop kese bi won sa bay nak mo la top té lool moko yobbu nga da ngay def ah ba légui baxna jël nga sa yoonu bop top nga ko da ngay def li la neex doko nga deug mag nga lama ak barki nga ko je ne pense pas que ce soit du colmatage. C'est un article de Moussa Diouf. Secondo, il y a ta mère qui annule son vol, ce qui est très évocateur. Et en parlant de ta mère, j'avais oublié. Est-ce que tu lui as parlé de tes événements dans l'année Écoute. Eh. À quoi bon Elle s'opposera de toute façon. Bah justement, elle le sera encore plus si elle est mise devant les faits accomplis. Ce que je te conseillerais de faire, tu vas déjeuner avec elle, donc profites-en pour lui en parler. Ciao, Mikey! Hey, ciao, euh, Fanta. Non, moi c'est Fifi. Oh, oh, ok, désolé Fifi. Au revoir, beauté. Écoute, il nous faut plus de flux, plus de clients, mais de qualité quoi. tu sais ce mode de vie là Mike que jabar mon ko T'as que le boy. et pourquoi pour vivre une vie ennuyeuse avec une personne qui au bout de 5 ans ne va plus te supporter ah non écoute reste dans ton mariage et moi laisse-moi profiter de ma liberté. Alors, je te présente Adama Akawa. non c'est Anna et, Emma. Ok, euh, désolé, désolé. Euh, ouais, je vous raccompagne les filles. Et vite. Allez, au revoir. Oh God. Ah. Et tu es fier de toi comme ça. Mais boy, man diaxal ngam. Yo, est-ce que nit nga Dis-moi, pourquoi tu t'es marié, prince sincèrement <laughs> Pour ma stabilité. Et offrir à mon couple un cadre qui le protège. Foutaise, dans fan boy. <laughs> C'est pour le plaisir, pour le connaître et pour le protéger que tu t'es passé la corde au cou. Mais c'est suicidaire ça, mon gars. Et pourquoi tu dis ça De toi à moi. Tu crois vraiment que tu as besoin d'un bout de papier pour connaître le plaisir Non mais regarde-toi. PDG de Yas Hotel, éminent juriste et partenaire d'affaires de la grande Mélanie Gradel j'oubliais. Le fils du président de la Grande République du Sénégal, frère. Quel gâchis Attends, mon gars. Et ton bonheur dans tout ça Ce bout de papier que tu minimises le protège. <laughs> ah, c'est là le problème, mon gars. Tu sais, les hommes et les femmes sont tellement sournois que ils ont besoin d'un bout de papier pour, pour se protéger, pour pouvoir être fidèles envers leur conjoint. Mais non, frère. Et après, ça parle de confiance et bla Bla, bla la vérité, c'est que le mariage, ça ne protège rien du tout. Yo, par exemple, si demain t'as envie d'aller voir ailleurs, tu vas le faire facilement. On n'est pas pareil, mon frère. Managio, beaucoup nous. <laughs> Bref. Ça fait combien de temps que t'es marié déjà, dis-moi J'en suis à ma troisième année de mariage. Ok, on en reparle dans deux ans. Au fait, moi, j'aimerais juste que tu me rassures, en fait. Au moins, je pense que tu as la conscience de fonder une famille, avoir une femme, enfants. La famille, c'est un concept très vague pour moi. Regarde-toi par exemple, tu as plus été mon frère que Franck ne l'a jamais été. La famille, le mariage. Mais tout ça, ce sont des concepts qui nous éloignent de notre véritable bonheur. La liberté. Euh, tu m'attends le temps d'un autre round, s'il te plaît <laughs> Oui, oh, oui, ça. Je retourne au bureau, Allez. <laughs> Désolé, j'étais en discussion d'affaires avec un collaborateur. De toute façon, on a commencé sans toi. Hein. Ouais, je vois ça, monsieur. Je ne me mélange pas avec les autres. Même Jess et Andrax, c'est toi l'intrus sur cette table. Bonjour, Mike. Bonjour, Jess. Bonjour tout le monde et veuillez nous excuser pour ce petit moment de distraction. Merci. Si on te pardonne pas Franck, on aimerait déjeuner tranquillement. Alors, comment ça a été ta journée Écoute, papa, beaucoup de travail. Je travaille à n'en point finir. Je vois. D'ailleurs, ton défilé approche à grands pas. Non, non, finalement, on l'a reporté pour mieux organiser. Ah bon Pourtant, je reste persuadé que l'hôtel aurait été l'endroit idéal. Oh, oh, oh on parle de quel hôtel On parle pas de mon hôtel. Parce que je j'ai pas donné mon aval. Enfin, je suis toujours le directeur, j'espère. Ne t'inquiète pas pour moi, maman. De toutes les façons, on a bien avancé sur l'organisation de ma salle. Écoute, Jess, arrête d'être poli. Dis-lui que tu n'as pas besoin de sa salle. T'as un problème, mon bébé Je ne suis pas ton bébé. Qu'est-ce qui se passe, Franck Ce qui se passe, c'est que j'en ai marre d'une mère qui joue les mamans poules, qui profite de ce genre d'occasion pour nous faire croire qu'elle est toujours là, alors qu'elle est tout le temps partie. Maman, tu es la présente la plus absente de cette table. Même ceux qui lisent les journaux te connaissent mieux que nous, ta propre famille. Franck Paul, non, laisse. Laisse-le continuer. Vas-y, vide ton sac. Tu veux vraiment que je vide mon sac Tu as commencé, non Maman, tu n'es pas franche avec nous. Tu nous fais croire que tout ce que tu fais là, c'est pour nous. Alors que ce sont pour tes ambitions personnelles. Papa ne dit rien, mais il le sait. Qu'est-ce que je sais Papa, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Tu vois pas comment elle te manipule Franck, ça suffit Je ne vais pas supporter ton impolitesse plus longtemps. Soit tu craches ton venin, ou tu te tais Voilà, Maître Ben qui arrive. Il pourrir l'ambiance. Femme Papa, laisse-le, s'il te plaît. Bon ben, je pense qu'on va passer direct au dessert. Ça tombe bien parce que j'ai un rendez-vous hyper important. Mélanie, je t'invite à rester calme pour éviter de faire des bêtises. Je ne veux rien savoir, dame. Tu veux que je reste là à ne rien faire Mais est-ce que tu imagines la crédibilité qu'on risque de perdre si on ne fait rien pour empêcher cela Mais j'en suis très conscient. Tu n'as rien à perdre. Non, je ne pense pas. Yo, est-ce que terrain Quatre buildings de 15 étages, les plus hauts, les plus prestigieux buildings de la Corniche Ouest. sais c'est Corniche Sama hôtel. Yo, sama hôtel lan la war a nuroo ma du dara je peux dire à mes agents ñu utal la des terrains plus intéressants que ça sur la petite côte. buguma benen terrain budul bi nek sama weti hôtel muy mbay ak kenen buguma dara lu jege sama hôtel di ko concurrencer dama bëgg nga def recours tu me dois bien ça ma bor bi j'en suis tellement conscient duma ci et je te le rappellerai aussi longtemps que tu sembles l'oublier décidément ok d'accord Bonjour, ça va bien Tu vas bien toi Je te rejoins devant D'accord, tout à l'heure. Je ne m'habituerai jamais à ta beauté. Comment tu vas Pressé, comme d'habitude. J'imagine, ma mère qui annule son vol, ça doit être plus sérieux, mais bon, mhm. elle t'a, donc ça va. Écoute, moi je dois y aller. Justement. On pourrait se voir après votre dîner familial ce soir. Ce que tu es en train de faire ne va rien arranger, Tierne. Juste prendre un verre et se raconter nos vies, c'est trop de demander. Je te rappelle que c'est toi qui as voulu rompre. Tout ce que je te demande, Jessica, c'est juste une discussion amicale autour d'un verre. Une discussion amicale, dit-il. Après deux ans de relation, moi, je suis passée à autre chose. Tu as été incapable d'affronter ma mère à l'époque, donc je vois pas pourquoi tu veux le faire aujourd'hui. Ok. Le fils du président. Je te l'ai dit, je suis passée à autre chose. Je vois ça. Mais sache une chose. Quand l'amour parle, l'argent se tait. Si tu penses que l'argent est une motivation pour moi, c'est que tu as la mémoire bien courte. c'est pas possible. Je ne sais pas jëlee tu mais sincèrement je ne ko sax mais pourquoi Franck écoute si je suis article ce sera la fin pour Gradel Mélanie Gradel ak fi mu non seulement elle perd son hôtel elle va perdre toute sa crédibilité dans le pays carrière monde, je n'en parle même pas. Ça, c'est de graves accusations. Exactement. Mélanie Gradel doit payer pour tout le mal qu'elle a causé autour d'elle. Il me faut plus d'éléments pour me plus l'article. Écoute, Moussa, tu as tous les éléments ici. C'est pas suffisant. Il me faut des informations que Gradel Group en prison À la minute où je fais un article sur ça, ces avocats, ils est m'ont et c'est ma carrière qui est mise en jeu. Donc je veux du solide. Ok. Quand j'aurai plus de preuves, je te les amènerai. D'accord Franck, tu sais, dans mon milieu, des trahisons, j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais c'est la première fois que je ça? dom buy trahir ça Où ça Hein Quand on aura fini tout ça, je te parlerai de ma mère. Ma mère n'est pas celle que tu crois. Elle n'est pas celle que les gens pensent. C'est la pire des mères du monde. Qu'est-ce que tu comprends pas Et ce qui m'écœure, c'est que je l'ai su très tard. Et peut-être trop tard pour ça.